pipi d na n pẽga wẽnnaam d pʋʋs wẽnd barka y pʋʋrẽ tɩ d sal nabiyaamã ya zug-soaba mohamad salallahu alaihi wasallam la d ning zãma wã fãa gill sallem tɩ ya sũ-noogɔ bad rũndã yaa aywa hat rũndã yaa hat daare tɩ yaa sha'bana rasm pisi nabiyaamã hijira yʋʋm tusr la kobs naas la pis naas la a naas yʋʋmde zemsd ne marsa rasm piig la yɩɩbo la n 2023 Lan 2023, ti ya silmisi wala aywa se ne wala, ne wala wosofan jil, ya abou bakal wazou nan msakon. Nan, don ton se di se ratabou nou nda yibe ou ran, te mi yor nou wazou, ya wazou kase nga, hantat ton kon nivou bila yele. Mi kam te shekha abou moumine nan nan, panme, liye ka ven, hantat ton kon nivou bila han ya boumninga, wane nan msakon loril fote. ye pour mo sheikh docteur Musa Nabalum ban médication sera ti ya wala lihlanga hangana wugula ya wakat bo lam nan sing bi wuguli wala alhamdulillah maman convenum ne wala wakat bo la ton me ton te waneda yitne yon so banya wuguli illa wa mafan han to na taba ya wugula zu ba da wuguli pipi ya lihlam da lihlam da ganaka wuguli lihlam da din hangana wuguli n dat tɩ adem-biisã fãa paam wubme b rapa b pagba eh, bada ninsaala tẽngãngã zuka wẽnnaam yiisa wẽnnaam yiisa ninsaala n sala an d sã n na n resime wẽnnaam dogla ninsaal yɛla yi a pipi ya wẽnnaamã tũudum ayi yiib soaba yaa tẽngãngã meeb la a manegre pa gete la yɛla yiibã fãa bi pa tõe n yaas ne a yiiba rɩ lame t'a yã wugre bad ninsaal pa tõe n tũ t'a a zãms dĩinã n ad me pa tõe me a pa tõe n me tẽngã n maneg tẽngã t'a pam zãmsgɔ n paam bãngrɛ n paam t'a yiibã fãa pidi bõn wubula tɩ wugrã a lebga ãdem-biisã yel kasanga tɩ sad singi ne wubuli a baasda ne wubri wubrã sã n yɩ san wẽnnaam sã n sake dũni wã yɩta sõma wubrã me san n yɩ wẽngã dũni wã me na n yɩ wẽngã yik n tɩ lislaangã waame eh, n dat tɩ wubrã manege tɩ rogdbã yɩ wubdba tɩ kartsam nambã yɩ wubdba tɩ zãmaan zãadba tɩ b tawso bo tawso fa gilli ayi wubuda atiba de pansa eh, pansa san ken na taba tu wubula yina ken songo wonnam sansa ya nera nan tabande nera men nan wusre nera men nan wili da amma eh wubula san pa fon taba ma tu wubula men tolon sama ye yemen na kitam to wenga pampanga ti zamane me lebon wenga wonnam sak ni ni wennam me hen kol dan ganra kwa da ko tar saba na to wenna songo fa ti nera kodo దునికల లాహర ఉన్నాం సాక లోడ్ కోడ్